le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du 18h passé de 15 minutes à Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau forum euh, de la presse du studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés grâce à un réseau dynamique de 20 radios partenaires qui émettent dans les 8 chefs-lieux de région du Niger ainsi que dans les localités d'Arlita, de Kirozerine, de Bouza, de Tamaské, de Mainesoroa. Magaria, Mayaï, Berningaure, Dorbel et Saï. Aujourd'hui, vendredi 9 juin 2017, le forum est consacré au décryptage de l'actualité de la semaine, dont entre autres le troisième sommet euh, des ministres des Affaires étrangères des pays membres du G5 Sahel tenu lundi dernier à Bamako, au Mali. La condamnation mardi à trois mois avec sursis du président du FRDDR Amadou Gibo Ali Dimaxa et de la condamnation de Abdraman Insar à Agadez à six mois avec sursis et pour euh, ses publications sur les réseaux sociaux qualifiées euh, d'incitation à la violence et de l'interpellation et la garde à vue de 11 agents du garage municipal de Niamey, de la grognon au niveau de la Fédération nigérienne des personnes en situation du handicap. Euh, de la situation de 1137 élèves des zones nomades et sédentaires du département de Tanout euh, qui ont abandonné leurs écoles à cause de l'insécurité alimentaire. les Nouns qui protestent contre la lenteur dans le paiement euh, des bourses et bien d'autres questions. La signature mercredi du protocole d'accord entre la FUSION et le gouvernement et en espoir Issoufou Alfaga Abdelazak qui a remporté dimanche euh, pour la deuxième fois la médaille d'or de la compétition internationale euh, dénommée Open euh, d'Australie et la récente suspension du président de la FENULUT Boubacar Seydouganda par le ministère de tutelle. Avec nous ce soir pour développer ces thème, Abachari Arimi, journaliste à la radio alternative. Abachari Arimi, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Gary Amadou, journaliste du journal La Nation. Et notre troisième invité est Issa Madougou, journaliste au groupe euh, de presse radio et télévision Ténéré. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Le premier point du forum de la presse de ce vendredi 9 juin porte sur le troisième sommet des ministres des Affaires étrangères des pays membres du G5 Sahel. À cette occasion, un soutien de financement de 50 millions d'euros sera accordé par l'Union européenne pour cette force conjointe de 10 000 hommes. Gary Amadou, du journal La Nation, euh, que pensez-vous de cette initiative qui vise à lutter contre le terrorisme au Sahel? ce dernier sommet, euh, en tout cas la rencontre des, ministres du G5 Sahel, était une rencontre vraiment qui sort de l'ordinaire. Parce que là, on voit que pour la première fois, il y a les prémices de l'opérationnalisation mm. de la force du G5 Sahel. Et parce que les chefs d'État, quand ils ont créé le G5 Sahel, il y a eu un sommet qui s'est déroulé à Bamako, où les chefs d'État avaient demandé, les chefs d'État des pays membres du G5 Sahel avaient demandé, d'une part, euh, une résolution des Nations Unies pour permettre à la force du G5 Sahel de, bon fonctionner et surtout le soutien de la communauté internationale pour mettre en place la force qui devait au début, au départ, être composée de, d'environ mille hommes. Donc, heureusement, lors de ce dernier conseil des ministres qui s'est déroulé au Mali, il y a eu la présence de l'Union européenne. Et l'Union européenne a fait une annonce très forte. Elle dit que dans le cadre de la mise en place de cette, elle va apporter sa contribution de 50 millions d'euros ce qui n'est pas négligeable parce que ça fait environ 30 milliards de francs CFA. Donc je pense que l'Union européenne a donné le signal. Et en même temps que l'Union européenne donnait ce signal-là, le représentant de la France au niveau des Nations Unies a parlé dans la même période pour dire que la France allait tout faire pour faire en sorte que eh, la résolution des Nations Unies soit votée pour permettre à cette force-là d'avoir le cachet des Nations Unies, donc de pouvoir travailler avec les financements nécessaires. Parce qu'on se rappelle, il y a quelques mois de cela, il y avait une mission du Conseil de sécurité qui était venue au Niger, n'est-ce pas Et lors d'un point de presse, nous avons posé la question, à savoir mais écoutez, les chefs d'État du G5 Sahel demandent euh, une résolution des Nations Unies pour pouvoir lutter contre euh, le terrorisme, pour mettre en place cette force-là. Est-ce que les membres du Conseil de sécurité qui étaient venus à Niamey sont prêts à faire le plaidoyer nécessaire auprès des Nations Unies pour que cette résolution-là soit votée Moi, j'ai posé la question et l'ambassadeur du Sénégal, qui était membre du Conseil de sécurité, a dit que les pays africains qui étaient membres du Conseil de sécurité, qui étaient au nombre de quatre ou trois, je crois, avec l'Éthiopie et j'ai oublié l'autre pays, aller faire le plus loin nécessaire pour que la résolution soit votée. Et selon toute vraisemblance, on s'achemine vers cette étape-là où la résolution va être votée. Donc, je pense que ce que l'Union européenne a fait, c'est un signal que l'Union européenne a donné. Et mieux, la prochaine réunion de, euh, qu'ils appellent la réunion spéciale du G5 Sahel, qui va se dérouler au mois de juillet, le président français va assister. Parce que le G5 Sahel ne sera pas une force qui va venir supplanter Barkhane, c'est une force qui va venir travailler en même temps que Barkhane et les autres forces pour lutter contre le terrorisme au Sahel. Abba Kari Armi euh, de la radio alternative, euh, pour combattre euh, ces groupes djihadistes, le plan de création de la force prévoit un effectif de 10 000 militaires, policiers et civils. Est-ce que 10 000 hommes financés à hauteur de 50 millions d'euros peuvent arriver à bout de cette nébuleuse Bon, moi je suppose que 50 euh, millions d'euros, 30 milliards, 34 par là, c'est juste un fonds vraiment de démarrage. Euh, sinon, pour une force de cette nature, bien sûr que c'est négligeable. Euh, c'est des forces généralement très coûteuses en matière euh, de renseignement, mais aussi de d'effrayage, de déploiement de troupes. donc c'est extrêmement cher et je pense que ça c'est juste vraiment pour mettre quelque chose dans la cagnotte. Mais comme d'habitude encore, le financement de nos forces euh, vient de l'extérieur. Bon, ça incite vraiment à se poser euh, beaucoup de questions. Nous-mêmes ne sommes pas capables de mobiliser de ressources pour entretenir de nos forces. Or, tout le monde sait que c'est des questions de, souveraineté, vraiment des, forces armées. Ce n'est pas euh, n'importe quoi pour se permettre que le premier financement d'ailleurs vienne d'ailleurs. Donc, euh, c'est des choses, euh, ça fait réfléchir, mais aussi euh, ce bourbier Barkhane, quoi, Munisma, quoi, pour la même zone. Bon, c'est un véritable problème de coordination qu'il va falloir régler par la suite. Mais moi, pour moi, tout ça là, ne me donne pas grand espoir que ce problème de terrorisme, d'insécurité dans le Sahel est en passe de se régler. C'est la preuve plutôt que euh, c'est une guerre vraiment de d'usure, de, euh, de longue haleine euh, où on s'engage. Et bon, j'espère que les États vraiment ou de G5 Sahel ou tous les États de la zone concernée parviendront à prendre en main cet aspect vraiment qui les engage plus que n'importe qui. Issa Dougou du groupe de presse Ténéré. Et pendant ce temps, euh, que faut-il attendre de la force en attente de l'Union africaine basée en Afrique du Sud moi, je pense que euh, la situation sécuritaire au niveau de la zone sahélienne est d'autant plus préoccupante puisque c'est les Européens se sont investis depuis des années pour que contrecarrer cette menace parce qu'il ne faut pas oublier que le G5 Sahel est une émanation de l'Union européenne. Hein. Ce n'est pas une initiative propre à nous, c'est une initiative qui vient de l'Europe. Ça, c'est quelque chose de connu d'avance. Mais ce qu'il y a dans la signature de ces accords, quelque chose qu'il faut apprécier. D'abord, le fait de circonscrire les actions de cette force, parce que ça va se dérouler dans un espace entre le Niger, le Burkina et, le Mali. Donc, on peut dire que c'est circonscrit dans un premier temps, parce qu'on sait que G5, c'est la Mauritanie, il y a le Tchad plus les trois pays que, dont je viens de citer. Mm. Donc, on peut dire que ça, c'est une bonne chose dans un premier temps, parce qu'on sait que cette zone est assujettie vraiment à une insécurité sans précédent, parce que nous, nous le vivons, le Niger, parce que tous les côtés sont eh, victimes d'attaques tout récemment au niveau du poste frontal de Petelkoli, au niveau de la frontière avec le Burkina, a été aussi la cible d'attaque. Banibon qui est toujours en état d'urgence, la zone de Walam, euh, le nord Tilaberi, voyez-vous un peu, on peut dire que c'est peut-être un ouf de soulagement pour les populations qui vivent dans la zone et vers un retour un peu progressif de la paix pour qu'ils puissent reprendre euh, euh, leurs activités. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette zone aujourd'hui est une zone abandonnée à son propre sort. Toutes les organisations ont quitté du fait que l'insécurité est devenue tellement criade et que les assauts qui les forces de, défense se subissent sont de nature à interpeller parce que de, nature à interpeller. Il y a une force en attente de l'Union africaine qui est là. On ne sait pas ce que ça devient. Mais écoutez, il ne faut pas seulement dire qu'il y, a plusieurs forces qui existent. Parce que vous pouvez prendre aussi la FMM, force multinationaliste, qui combat Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Il y en a plusieurs forces qui existent. Mais c'est quoi le problème Comme tout à l'heure, Garel l'a dit, il faut d'abord une reconnaissance. Le la force conjointe du G5 a été reconnue par la Commission de paix et sécurité de l'Union africaine. Mais ils n'ont pas la reconnaissance du Conseil de sécurité. Quand vous n'avez pas de reconnaissance, vous pouvez créer de multiples forces, chaque jour de forces communes. Mais tant que vous n'avez pas... La reconnaissance du du, Conseil de sécurité, elle est nécessaire. Vous, parlez du manque de moyens. Évidemment, nous, nous n'avons pas aujourd'hui la capacité d'assurer notre propre sécurité. C'est ça. Arimi disait aujourd'hui, la question c'est de ça. L'initiative, ça ne vient pas de nous. Nous n'avons pas le moyens de notre propre sécurité. Alors comment nous pouvons garantir un développement inclusif à tous les niveaux pour nos pays tant que nous n'avons pas aujourd'hui eh, les moyens de notre politique, je pense que cela prête à beaucoup d'interrogations et c'est là où beaucoup d'observateurs disent que cette force euh, n'est pas une lueur d'espoir, c'est plutôt une barcanisation, une eh, marchandage, eh, faire en sorte que le travail que Barkhane est en train de mener maintenant, c'est marchander, donc Barkhane va être en arrière il va te les guider aujourd'hui, même s'il y a des combats, c'est nos forces qui vont aller. C'est ce que beaucoup d'acteurs mondialistes s'en pensent à travers la, euh, création, parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas donner leur argent financer une force et aller sur le front de combattre. Non, non, il faut trouver des gens qui vont aller combattre, qui vont aller mourir. Voilà un peu la question, elle très complexe sécuritaire parce que il faut dire le caractère très pauvre de nos États nous handicape dans la prise de décision et certaines initiatives très très attendu par les populations. Je suis d'accord avec ce que mes deux intellectuels euh, ont dit. L'idéal, l'idéal serait que les pays eux-mêmes puissent financer ce genre d'opérations. En tout cas, qu'ils puissent apporter leur contribution. qu'ils puissent faire le premier pas. Voilà, le premier. Mais c'est des pays qui ont des difficultés. C'est-à-dire que si les pays décident déjà, avec ce qui se passe au niveau du bassin du lac Tchad, si les pays décident d'engager encore des, ressources financières publiques dans ces armes d'opération, encore c'est des ressources, c'est des secteurs sociaux qui vont en pâtir. C'est les pays qui ont des difficultés. C'est l'idéal, c'est vrai. Et quand on n'a pas la dépendance en matière de, défense, c'est vrai que c'est problématique. Mais comment peut-on faire Aujourd'hui, la menace terroriste est une menace globale. C'est ça qu'il faut le dire. C'est-à-dire que ça ne concerne pas que les pays du Sahel. Hein. La menace, elle est mondiale. L'État islamique est là en Libye. Et l'État islamique est en Irak. Et l'État islamique frappe partout. Et il frappe aussi Niger parce que les dernières attaques là, pratiquement, c'est l'État islamique. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que je pense que quand on n'a pas les moyens, on est obligé de faire recours au niveau du Conseil de sécurité. Parce que la résolution du Conseil de sécurité, son avantage, c'est que quand le Conseil de sécurité vote une résolution, il y a des moyens qui s'accompagnent. Le Conseil de sécurité mobilise les moyens pour mettre à la disposition de cette force-là. L'actualité de la semaine, c'est aussi la condamnation du président du Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République, Amadou Jibo Ali Dimax, à trois mois de prison avec sursis par le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, mais aussi la condamnation à six mois avec sursis, et cette fois-ci à Agadez de Abdraman Insara pour des faits similaires. Abba Kari Arimi de la radio alternative, que doit-on comprendre à travers la condamnation de ces deux euh, personnes très critiques envers le régime Écoutez, on l'a dit, hein, on l'a dit, c'est aussi triste que ça. Euh, on avait presque dit voilà ce qui va arriver. Donc il y a une volonté certainement de, faire taire, euh, de dissuader vraiment les personnes qui essaient d'élever un peu la voix. Aujourd'hui, Insar et Max, ils sont en sursis. Euh, ça m'étonnerait qu'ils se mettent à tenir un certain euh, langage qui générait euh, le pouvoir en place. Et nous l'avons dit dans ce même studio que ce n'est pas de nature à favoriser le jeu démocratique en cours dans notre pays. Nous avons une jeune démocratie, nous, nous sommes en construction de cette démocratie-là. On voit bien comment ça se passe ailleurs. Et le jeu démocratique, c'est que l'opposant a un rôle à jouer et le pouvoir a un rôle à jouer. Donc, tant que c'est en parlant, c'est en s'exprimant. Malheureusement, tous ceux qui parlent sont de plus en plus euh, inquiétés. Et moi, vraiment, j'ai peur pour cette démocratie-là, sincèrement. Issa Madougou du groupe de presse Ténéré, Max est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État et abraham Essar pour incitation à la violence. Votre opinion tout cela contribue à une, dire, la mise en œuvre d'un projet de faire taire tous ceux qui sont très critiques envers euh, ce régime. Et cela je vais abonder un peu dans le sens euh, de Harimi, cela n'honore pas notre démocratie. Parce que nous ne pouvons pas euh, être dans un état de droit où on, il y a des pratiques, par exemple la, confiscation des libertés individuelles et collectives, une certaine au euh, isolement de tous ceux qui peut ouvrir la bouche pour donner leur opinion par rapport à la gestion des affaires publiques. Cela, nous n'aurons pas dans notre démocratie. Il faut que notre démocratie soit dynamique. Il faut que la pluralité des opinions qu'elle soit une réalité dans notre pays. Mais parce que cela, vous avez, ça va, ça risque de donner un coup dur dans, les, dans certains classements internationaux euh, où notre pays est en perte de points chaque fois. Et cela, vraiment, euh, ça donne une mauvaise image de notre pays. Il faut que ça continue. Mais il y a quelque chose que moi, je, par rapport à cette série d'interpellations, qui vient de gonfler. En 2000, tout récemment, j'ai lu dans un article des confrères de la sous-région que le Niger, depuis 2011 à aujourd'hui, est en train de battre le record d'interpellation et d'arrestation de toute personne qui est très critique. On a même comparé que des régimes comme les régimes de Faure et qui sont réputés être des régimes de violence, ou bien Idriss Déby, aujourd'hui, ils, ils, ont temporisé. Ils ne sont plus dans cette méthode, mais dans une autre méthode. Mais c'est le Niger qui les gens se disent ok c'est un pays qui a une jeune démocratie qui devrait monter parce qu'on sait que euh, le processus de démocratisation quand c'est venu au Niger ça passait par des étapes les gens sont ont apprécié, malgré qu'il y a eu des interruptions des régimes tout de même le Niger fait bonne figure dans ce domaine mais quand même c'est déplorable de voir que le Niger est en train de battre ce record dans la restriction des libertés individuelles et collectives moi je pense que il faudrait qu'aujourd'hui euh, que qu'on passionne le débat, qu'il faut que ça soit plus constructif pour que vraiment le Niger puisse être ce pays-là dont nous rêvons tous ou que la démocratie soit une réalité, mais pas une démocratie de façade. Gary Amadou du journal La Nation, votre commentaire par rapport à ces deux condamnations oui, d'abord, j'aimerais dire quand même que moi, je ne suis pas d'accord avec mes, deux interlocuteurs parce que vous savez, euh, la démocratie est très fragile et la liberté d'expression, elle est très encadrée par la loi. Il faut que nous fassions attention. n'est pas tout le monde qu'on est en train d'arrêter comme ça. Non, non, non. La preuve, on est ici sur un débat où il y a des personnes qui sont assez critiques avec le régime, mais qui ne sont pas inquiétées parce qu'ils savent ce qui sort de leur bouche. Et c'est ça les limites de la liberté d'expression. Faites attention parce que c'est pas, vous ne pouvez pas tout dire et pensez que non, non, c'est normal. Vous ne pouvez pas tout raconter sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas appeler à la violence, vous ne pouvez pas appeler au renversement du régime et pensez que vous êtes en train d'exercer librement votre droit de liberté d'expression. Non, la liberté d'expression, elle est encadrée par la loi, Mokhtar. Il faut que les gens fassent attention. Moi, je me réjouis que ce ne soit pas des condamnations fermes que les gens l'ont eu. Et ça ne me plaît pas que quelqu'un soit condamné n'est-ce pas Mais j'ai dit, il faut que nous réfléchissions à ce que nous disons. Aujourd'hui, nous sommes sur un plateau de télévision. Nous pouvons très bien attaquer le régime, n'est-ce pas Tout en mesurant nos propos. Est-ce que, ces, deux condamnations ne favorisent pas à restreindre les libertés individuelles sur les réseaux sociaux, par non. exemple C'est très simple. Il faut que les gens se responsabilisent dans le cadre de leur comportement quotidien, aussi bien sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision que sur d'autres forums ou euh, d'autres forums. Euh, je pense que c'est très important parce qu'il faut qu'on en fasse attention. Moi, je vois ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux. Nous les voyons tous. On peut refuser de voir n'est-ce pas On peut, pour des raisons euh, qui nous sont personnelles, dire que non, non, ce n'est pas grave. Mais moi, j'ai dit, moi, je ne peux pas accepter que sur des réseaux sociaux, que sur un plateau de télévision, des gens appellent à des soulèvements populaires, à des renversements de régime, à de la haine ethnique, etc., etc. Parce que c'est ce qui s'est passé ces derniers temps. J'ai dit ça, il faut que les gens fassent attention. N'est-ce pas Et d'ailleurs, les pays que euh, euh, euh, euh a cités, ces pays-là, le Niger les devance de, loin dans les classements. De loin. Mais le Niger les dévance, même la Côte d'Ivoire est derrière le Niger. Mais je vous dis donc, en matière de liberté de la presse, etc., etc. Donc, il faut qu'on le fasse attention. Franchement, je veux dire, faisons attention. Notre liberté est encadrée. Il ne faut pas qu'on dépasse les bornes parce qu'il ne faut pas qu'on se fasse des illusions. La liberté n'est pas totale et n'est pas absolue. Euh, ah, c'est juste, un mot. en fait, euh, quand on parle de liberté euh, de presse, de liberté d'expression, d'opinion, ce n'est pas vraiment de 20 mots. Si ce que quelqu'un a dit peut être interprété et maintenant constitue une charge à la justice contre cette personne-là, c'est extrêmement grave. Ce n'est pas pour rien que c'est balisé et on parle de liberté d'expression tout court. Garé parle maintenant qu'il faut que cette liberté soit encadrée, que notre démocratie a besoin de ça. On ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire en même temps. La liberté d'expression, vraiment, c'est un jeu démocratique qui est consacré et il faut souffrir. Il faut, il faut souffrir dans sa chair souvent. N'est-ce pas Il faut souffrir de ce que dit l'opposant, de ce que dit le journaliste, de ce que dit le citoyen, tout court. Mais si dès qu'on peut saisir des mots pour dire voilà, parce que les gens ont certainement parlé, n'est-ce pas On a écouté ce que souvent ce que Max a dit par exemple. N'est-ce pas On peut aller encore aujourd'hui sur la page de Issar pour voir ce qu'il a écrit. Moi, je peux trouver que ça n'a rien d'incitant euh, vraiment à la violence. Selon vous, c'est l'expression de la démocratie. Oui, c'est l'expression de la démocratie. Il ne faut pas interpréter. Il ne faut pas interpréter. C'est un problème d'interprétation qui se pose. Rapidement, Issa. Oui, parce que quand, par exemple, quand pour Abraham Insar, moi j'ai lu son poste le jour, mais c'est pas de cette manière que moi je vais interpréter. Pour le cas de Max, c'est la même chose. En fait, c'est des problèmes d'interprétation qui se posent le plus souvent parce que la personne gêne. Il faut reconnaître ça. Parce que il y a un autre aspect. Euh, euh, il, y a un aspect que Garé a mis Parce que pour les, le cas de réseaux sociaux, jusque-là, on nos magistrats n'ont pas encore euh, une loi bien définie par rapport à l'utilisation de ce qui se passe sur ces réseaux sociaux. Donc, c'est pour cela que j'ai dit parfois quand on condamne quelqu'un pour une publication, non, quand la loi existe, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand la loi n'existe pas, il ne faut pas il faut pas inventer. il faut pas inventer, il faut pas travestir ce qu'on a comme acquis et pour pouvoir euh, faire taire un opposant ou bien faire taire un citoyen qui dérange. J'aimerais poser une seule question à monsieur et monsieur Arimi. Est-ce que la liberté d'expression, c'est tout dire, tout ce qu'on veut Est-ce qu'on peut tout dire est-ce que on peut appeler, par exemple, les gens à la haine ethnique Est-ce qu'on peut appeler à la violence Quand est-ce que le, non, problème, ce n'est pas ça la question. Je vous pose une question très simple. Ce n'est pas ça la question. la question, quand est-ce que on a appelé Non, à je vais vous dire. Je vais vous dire, Armi. Moi, j'ai dit des choses, des choses très claires. Armi dit que c'est un problème d'interprétation. Moi, moi, je des choses très claires. J'ai dit des choses très claires parce que je vois ce qui se, voient ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il voit ce qui se passe sur les séries de télévision. Ils voient sur. Il faut faire attention parce que, comme ils disent, dans le premier but de la Constitution, c'est très clair. L'hétérocentrisme, les appels à la haine ethnique, l'appel à la violence sont proscrits, sont bannis. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Donc, il faut faire attention. Malgré le fait que la liberté d'expression existe, on va la évoluer, Constitution on va a dit qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. C'est très clair. Hein Garé Amadou, Garé du journal La Nation. Euh, autre interpellation, c'est celle des 11 agents du garage municipal de Niamey. Il leur est reproché d'avoir dérobé des pièces de véhicules scellées par la justice et déposées dans l'enceinte du garage. Et aux dernières nouvelles, seul un d'entre eux a été placé sous mandat euh, de dépôt. Quelle lecture faites-vous euh, sur cette affaire oui, c'est une affaire assez, assez, triste parce que moi je, je, savais très bien que les agents du garage municipal vivaient dans une situation quand même de dénuement avec plusieurs mois d'arrêt, n'est-ce pas Parce qu'à l'époque, c'était au moins environ 8 mois, je crois, d'arrêt de salaire. C'était des situations assez difficiles. Et c'est pourquoi, quand les gens sont dans la précarité, c'est extrêmement difficile de gérer le quotidien. C'est pas que je vais les dédouaner, mais ce qu'ils ont fait est grave. En tout cas, j'espère que la justice va rétablir la vérité, puisque la plupart de ceux qui ont été arrêtés ont été libérés. Il y a une seule personne. J'espère que la justice va poursuivre son, son, travail pour qu'on sache, à l'issue d'un procès, si la personne-là a été coupable ou pas. Mais, effectivement, prendre les biens publics à des fins personnelles, ça, effectivement, c'est banni par la loi. C'est très Telegram. Cette semaine, euh, les confrères ont largement euh, abordé au niveau de la Fédération nigérienne des personnes en situation de handicap une grogne, euh, c'est la création d'une direction d'assistance aux groupes vulnérables en lieu et place de la direction en charge de la promotion des droits des personnes handicapées et de la protection des personnes âgées. Abachari Animi de la radio alternative, cette grogne des personnes en situation de handicap est-elle fondée oui, parce que l'appellation actuelle prive vraiment cette direction-là de son caractère antidiscriminatoire et euh, humain, je dirais. On ne parle pas par hasard de personnes en situation de handicap. Nous tous ici, nous avons certainement suivi plusieurs formations où euh, les formateurs ont attiré notre attention sur ces questions-là. Il ne faut pas, parce que la personne a eu un accident euh, ou il est né avec lui dire que c'est un handicapé. Déjà, on nous a dit à plus forte raison que c'est une personne diminuée, c'est une personne tout entière. Et donc le fait même de changer la dénomination de cette direction-là attire l'attention parce que c'est vous une approche droit. au lieu de dire une personne handicapée, il faut dire une personne en situation, de handicap. Et ça veut tout dire du, contenu qu'on peut donner. Pour éviter la euh, discrimination. Euh, oui, mais du contenu même qu'on peut donner à cette direction, ça en dit long. Si on a l'intention de prendre, de faire une approche, d'avoir une approche en termes de droit des personnes en situation de handicap, on va les appeler des personnes en situation de handicap. Mais des personnes handicapées, c'est déjà discriminatoire et ils ont tout à fait raison, euh, vraiment, parce que on passe de l'aspect un peu humain, n'est-ce pas, euh, du respect des droits à un aspect pratiquement assistance. Et ça, je crois qu'ils ont tout à fait le droit, euh, même si nous n'avons pas lu désormais la mission de cette nouvelle direction-là, je crois qu'ils sont en droit euh, de s'inquiéter. Vous avez quelque chose à ajouter Oui, ce que je veux dire, c'est que c'est effectivement c'est une très grosse erreur parce que dans certains pays, c'est même des secrétariats d'État. Je crois qu'en France, il y avait un secrétariat d'État aux, personnes handicapées, un truc comme ça. Donc, il ne faut pas banaliser, il ne faut pas diluer la cause des personnes handicapées dans un fourre-tout. Ça, c'est une erreur grossière, c'est très grave. Parce que le fait même qu'on leur ait donné une direction, n'est-ce pas C'était quelque chose qui leur donnait de l'espoir que leurs problèmes sont pris en compte. Maintenant, quand on change le nom de la direction, on en fait encore autre chose. C'est quoi l'appellation Groupe vulnérable. Ça veut dire que là, c'est un fourre-tout. Ça veut dire qu'il y a seulement, non seulement les handicapés, il y a les personnes Même si on pauvres. Pas on peut être les euh, personnes pauvres, les personnes, oui, les personnes pauvres, etc., etc. Donc c'est un fourre-tout. Et c'est ça qui fait que, effectivement, ils ont le droit, ils ont, en tout cas, ils, sont, ils ont légitimement le droit de, de, protester parce que c'est, on doit corriger cela. Les personnes handicapées doivent être prises en compte il faut ramener la direction là. Si vous voulez, au niveau du ministère de, l'Action humanitaire, vous pouvez faire une direction concernant les personnes euh, vulnérables, si vous voulez, au niveau du ministère de l'Action humanitaire. Mais la direction là pour les personnes handicapées, de grâce, il faut la ramener parce que ces gens-là ont l'impression qu'on est en train de les oublier dans le cadre de cette nouvelle politique-là de création de cette nouvelle direction. Vous avez quelque chose à euh, ajouter rapidement euh, Oui, c'est que la création de cette nouvelle direction ne cadre même pas avec les conventions au niveau international que le Niger a souscrit librement. C'est pour cela qu'ils ont plein droit de, de sortir et puis vraiment euh, d'informer l'opinion du projet qui est en train d'être initié et qui vise vraiment à leur priver de beaucoup d'acquis. Parce qu'il ne faut pas oublier que la, les personnes en situation de handicap, ils ont engrangé beaucoup d'acquis qui est le fruit d'une lutte. Et aujourd'hui, on ne peut pas, d'une seule signature, balayer tout cela pour les mettre dans un groupe vulnérable. Non, la vulnérabilité, elle est trop vaste et large parce que ça concerne tout le monde. Tout le monde est vulnérable aujourd'hui. Hein. <laughs> Et puis la vulnérabilité, elle peut être quantifiée sur plusieurs plans, pas seulement le plan d'argent alimentaire. Non, non, non, non. Même quelqu'un qui n'arrive pas vraiment à donner un bon rendement sur son travail, il est vulnérable. Il Donc, voyez-vous un peu. Moi, je pense que aujourd'hui, c'est qu'il a lieu de faire ce que le ministère ouvre ses portes à ces gens, qu'ils s'assoient sur une table et de discuter parce que à travers le dialogue, je suis sûr et certain. Mais ces gens, ils, ont fait cinq tentatives pour rencontrer le Premier ministre, mais en vain. Non, peut-être que avant ils n'ont pas porté l'affaire au, niveau de l'opinion pour que l'opinion soit informée. Maintenant que les gens sont, informés, il y a des structures qui peuvent aujourd'hui les appuyer dans cette dynamique pour qu'on puisse vraiment rétablir cette vérité et puis vers justice à ces gens-là pour qu'ils ne vivent pas dans une situation de discrimination totale au profit de quelques initiatives à dessein. Parce que c'est ça, quand on dit Groupe vulnérables, moi je ne suis pas d'accord que vraiment ça intéresse. Mais il faut que le Niger aussi reste et demeure respecté envers ces conventions au niveau international qu'il a ratifiées. Parce que ce ministère-là, une moitié même de son financement à l'extérieur vient à cause de ces personnes. Il hein. ne mm. faut pas qu'aujourd'hui on essaye, parce qu'on a eu un nouveau projet de transition démographique, mm. quelque chose comme ça, planning mm. familial, on pense que eux là, non, leur financement, ce n'est rien, ça ne représente rien. Mais ces gens-là jouent un rôle capital au sein de ce ministère. Donc, on a aujourd'hui le devoir de les écouter et de prendre en compte leurs exigences parce que ce qui existait, ça existait, ça n'a pas causé problème dans un passé récent. Alors, pourquoi détruire ça pour pouvoir aller dans d'autres euh, directions Je pense que le dialogue et la voie pour trouver une solution. Issa Dougou du groupe de presse euh, radio et télévision euh, Ténéré, on va rester avec vous. Euh, dans le département de Tanout, région des Anders, 1137 élèves des zones nomades et sédentaires ont abandonné leurs écoles pour cause d'insécurité alimentaire et faute de quoi nourrir les animaux des éleveurs. selon le directeur départemental de l'enseignement primaire du Tanout, quelle analyse faites-vous de cette situation Écoutez, cette situation a été fort longtemps euh, décriée par d'abord les acteurs, parce que la situation fourragère a été tellement critique. C'est ce qui a valu même une mission de terrain du ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes qui était parti dans la région. Il a visité et lui-même, au sortir de sa visite, il a reconnu qu'il y a, à cause de cette situation très difficile que vivent les communautés, un abandon d'élèves, qui aujourd'hui ont suivi leurs parents vers à des terres vraiment plus promoteuses pour leur cadre de vie. Mais alors, ceux qui, ne cadrent pas ou bien qui ne donnent pas espoir, c'est ce que c'est la réponse du, gouvernement qui tarde jusque-là parce que ces déplacements de mouvements de population aujourd'hui, moi je pense que ça ne soit pas amalgamé comme la, migration des femmes de quartier. Parce qu'il ne faut pas qu'eux, ils migrent. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec le début de la campagne, vers le nord, il y a la pluie contrairement à ce qu'on attendait vers les zones de pâturage là, c'est depuis quelques semaines, il y a de la pluie, donc il y a le fourrage. Il ne faut pas que ces gens qui vont ces mouvements, qu'on les assimile comme ceux-là qui vont migrer vers le Maghreb et qui puissent être frappés par cette loi d'interdiction. Parce que c'est pour cela que l'État doit agir et on ne comprend pas depuis euh, le retour du ministre, il n'y a pas tellement d'actions concrètes qui a été menées sur le terrain pour pouvoir ramener ces gens-là, les stabiliser et faire en sorte qu'ils soient résilients par rapport à cette situation. Parce qu'aujourd'hui, quelles que soient les activités que vous êtes en train de mener pour soutenir, pour assister une communauté, tant que vous ne développez pas les capacités de résilience de cette communauté, vous allez toujours les mettre dans de l'assistance perpétuelle qui risque de faire de ces gens des assistés éternels alors c'est ça qu'il faut bannir. Et moi, je pense que aujourd'hui, la situation doit interpeller au-delà, même le Niger, parce qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'il ne faut pas chaque fois cultiver cette tendance de tendre la main à l'extérieur. nous même les Nigériens, nous pouvons aujourd'hui faire en sorte que, malgré nos moyens qui ne sont pas du tout à la mesure de nos attentes, on peut aussi se constituer en un fonds d'aide pour assister ce nos frères. Il faut vraiment qu'on trouve des mécanismes, surtout à travers des sociétés de la place. Garé Amadou du journal La Nation, ici à Niamey, dans une déclaration rendue publique, Lyonoun proteste contre la lenteur dans le paiement de la bourse et Lyonoun crie au non-respect des engagements pris au plus haut sommet de l'État au lendemain des événements du 10 avril sur euh, le campus de l'Université de Niamey. Quelle est votre lecture de la chose, Garé Amadou Écoutez, les, étudiants ont raison de, protester parce qu'on leur a promis quand même de, payer rapidement la bourse. Euh, mais je crois que le pays est dans une certaine difficulté difficulté financière, c'est une difficulté financière euh, qui, touche presque toute la sous-région, presque toute la planète. Il y a une morosité économique, ce qui fait que c'est extrêmement difficile. C'est vrai que moi, je suivais un peu le paiement de ces bourses-là. C'est vraiment, c'est à compte-goutte. C'est-à-dire que quand les sous tombent, on paye, quand les sous tombent, on paye, quand les sous tombent, on paye. Donc, forcément, ça, crée des frustrations au niveau des étudiants. Et c'est normal, n'est-ce pas, qu'ils fassent cette déclaration-là pour interpeller et surtout pour faire comprendre à l'opinion nationale que, bon, la bourse qu'on est en train de payer depuis que Mala est, décédé et qu'ils ont été reçus par le président et que des, procédures de règlement de leur situation ont été dégagé et que depuis ce moment-là, la bourse n'a pas encore été complètement payée et que euh, il y a des difficultés parce que les trucs c'est à compte-goutte. Je pense que c'est bon qu'ils aient interpellé, mais je suis sûr que euh, dans tous les cas, l'État va faire ce qu'il faut pour pouvoir payer intégralement. Mais peut-être que ça va prendre du temps parce que je vous dis, la situation financière est extrêmement difficile. Ça, ce n'est pas la peine de le cacher. C'est clair, c'est net. Mais j'espère quand même que cette alerte que les étudiants ont donnée va inciter le, gouvernement à, voir comment faire en sorte pour accélérer le paiement pour que tous les étudiants puissent être les intéressés. Toujours dans le domaine de l'éducation, notons la signature mercredi d'un protocole d'accord entre la FUSEN et la partie gouvernementale. Abachari Arimi de la radio alternative sachemine vers la fin du blocage Ça, c'est notre souhait, mais les trois euh, sujets que nous abordons successivement, la situation des enfants de la zone de Tanout, la situation euh, à Lyonine et cette situation sont intimement liées. Maintenant qu'on me dise que c'est parce qu'il n'y a pas d'argent, le gouvernement en tout cas, parvient depuis un certain temps à endormir euh, ses interlocuteurs pour qu'ils constatent au réveil que malheureusement rien n'a été fait par rapport aux engagements pris. Moi, ce que je veux, c'est que le gouvernement respecte ses engagements, se donne les moyens n'est-ce pas, de respecter ses engagements. C'est trop facile à l'échelle d'un État de dire que non, c'est une morosité économique internationale qui fait cela. Non, vous savez qu'est-ce que vous pouvez mobiliser, en combien de temps, et aussi vous prenez les engagements, vous les respectez. Et surtout, de votre côté, on ne voit absolument pas le sacrifice qui est consenti. On ne voit jamais une réduction du train de vie de l'État, par exemple. N'est-ce pas Mais aussi, donc, il faut nécessairement que tous les engagements pris par le gouvernement, notamment dans des cadres vraiment de négociations avec des syndicats des secteurs sociaux, soit des priorités qu'on veut respecter. Aujourd'hui, avec les FISEN et autres, on est en fin d'année, n'est-ce pas dans tous les cas, peut-être pour sauver l'année, pour euh, sauver les examens, on va faire quelque chose. On peut revenir encore en début d'année que le problème soit entier. Donc vraiment que le gouvernement ait de la bonne foi, qu'il prenne à bras le corps les problèmes posés par ses interlocuteurs directs parce qu'il ne peut rien faire, hein. il ne faut pas qu'il se, trompe, sans les étudiants, sans les enseignants, mais il n'y a pas d'éducation. Et un pays sans éducation, sincèrement, à quoi ça peut rassembler la, fusion fait partie de, du euh, Oui, de l'accord du 13 décembre 2016, qui, dont les engagements aujourd'hui peinent à être concrétisés. Donc, alors, à quoi joue le gouvernement en encore un nouveau protocole d'accord Moi, je pense qu'il faut vraiment circonstruire ces engagements. Quand vous le savez, vous savez très bien, il ne faut pas se cacher derrière un rideau. Aujourd'hui, tout le monde sait que la situation est difficile. Mais ce protocole d'accord, signalons-le, ne, ne, concerne pas cause Niger Sinase. Euh, euh, oui, c'est seulement la fusaine et une partie de la fusaine. Ça, là, il faut être ah, vraiment précis là-dessus parce qu'il y a une partie de la fusaine qui est acquittée. La fusion même est fissurée. C'est une partie, c'est quelques syndicats dirigés par le Sénat Alors que vous avez des engagements que vous avez pris avec la même structure, il y a quelques mois de cela, vous n'avez pas pu les honorer. Vraiment, ça prête à des interrogations. Vraiment, on ne sait pas à quoi joue réellement. Est-ce que c'est l'apaisement ou bien encore pour jeter de l'huile sur le feu oui, oui, secondes. oui, il n'y a pas de problème. Moi, ce que j'ai dit, c'est que c'est très simple. Hein. C'est toujours bon de négocier, c'est toujours bon de dialoguer. N'est-ce pas Le SINASEB n'est pas rentré dans le cadre de ces négociations là eh, eh, bien, c'est triste. Mais il faut bien que le gouvernement puisse dialoguer. Je suivais un débat hier sur la télévision Saronia, un débat à langue, où un des interlocuteurs disait que c'est un syndicat d'enseignants. Il dit les syndicats n'ont pas d'autres interlocuteurs que le gouvernement. C'est le gouvernement qui recrute, c'est le gouvernement qui paye. Donc ce n'est pas la peine de faire la grosse tête et de rester dans son coin non, non, moi je négocie. Vous, de tôt ou tard, vous allez négocier. Et ce que j'ai dit, ah, c'est très important. Je suis d'accord avec Arémi sur un point. Euh, ne faut pas promettre ce qu'on ne peut pas. Et il faut que les syndicats aussi soient responsables, ne pas exiger radicalement tout. Cette semaine, la presse sportive a largement abordé le sacre du champion olympique nigérien Issoufou Abdelraka Al-Faga qui a remporté pour la deuxième fois la médaille d'or de la compétition internationale dénommée Open Australie. Il y a aussi la récente suspension du président de la FENULUT par son ministère de tutelle Abakari Arimi rapidement euh, de la radio alternative. Euh, quel commentaire sur ces deux événements sportifs Écoutez, euh, concernant Alphaga, c'est vraiment euh, l'occasion de lui tirer un nouveau euh, chapeau, comme quoi la préparation pour les Jeux olympiques, l'or, n'est-ce pas, prochainement, est en marche et on l'espère vraiment. nous espérons que le Niger parviendra à mettre en place vraiment une équipe n'est-ce pas, une équipe d'athlètes qui va accompagner cet athlète de très haut niveau international et qui va couvrir cet exploit de euh, jusqu'aux Jeux Olympiques et qu'on ait vraiment l'or, c'est possible. Euh, aux Jeux Olympiques. Donc vraiment, il n'y a rien à dire que c'est un champion très sérieux qui a conservé sa forme depuis les Jeux Olympiques jusqu'à ce jour et qui continue de travailler, qui est vraiment euh, entre son club, les compétitions internationales et qui est très présent au Niger. Chaque fois qu'il y a un événement, chaque fois qu'il y a quelque chose d'important qui se passe dans notre pays en tant que euh, symbole qui gagne actuellement. Il est là, je crois que c'est un jeune homme qu'il faut euh, saluer, qu'il faut encourager. Il faut inciter euh, l'État du Niger à continuer à le soutenir et vraiment nous tous, nous devons continuer à prier pour lui parce que c'est une image, une image des plus rares de notre pays qui gagne. Il ne faut pas se le cacher. Euh, concernant euh, la suspension, suspension euh, du, président, de la le, ministre est sorti pour dire que ce n'est pas lui. vous l'avez vu. Je pense que. C'est pas lui, c'est qui, qui, qui, qui suspend ben Écoutez, c'est le bureau. C'est le bureau qui suspend. C'est le bureau de la fédération qui a la possibilité. Ce n'est pas possible, par exemple, au niveau euh, de la foot les textes ne le permettent pas, mais au niveau de, de, de, de, la lutte traditionnelle, les textes le permettent. Mais dans tous les cas, au vu des conditions dans lesquelles il a été élu haut les mains, mais dont une crise dont on a vu les prémices au, à Agadez déjà euh, au cours du de, championnat. Donc ce n'est pas étonnant que ça, ça, arrive. C'est-à-dire euh, la lutte peine à se moderniser. Or, euh, vraiment, la, gestion d'une fédération, c'est quelque chose qui est très bien quadrillé par les textes et chacun doit pouvoir jouer sa partition. Et je ne je ne pense pas que M. Euh, Abouaganda soit euh, de cette veine, malheureusement. Issa Madougou du groupe de presse Radio et Télévision Ténéré. Euh, que doit-on retenir de bénéfique pour le sport nigérien entre ces deux événements dont le second est la reine des disciplines au Niger Je crois même pour Alphaga, c'est ce que Adimi a dit, il faut continuer à l'encourager, à le soutenir et à créer les conditions pour qu'on ait encore d'autres Alphaga pas seulement au niveau de, du taekwondo, mais dans les autres disciplines. Par exemple, euh, au niveau de l'athlétisme, on sait que le Niger a été vraiment un pays où on a des athlètes, mais je ne sais pas ce qui se passe depuis un certain temps. Tout récemment, il y a eu une compétition au niveau euh, régional où les, les, athlètes nigériens étaient partis en bus, ils n'ont pas pu compétir le premier jour. Vous voyez, c'est les conditions qu'il faut créer. Moi, je pense que le cas de Alpha doit servir d'école. Euh, dire que aux athlètes, ceux qui pratiquent le sport, qu'ils peuvent espérer. C'est possible pouvaient devenir les, les, les grands noms du, du, du, du, sport, les Michael Phelps, les Usain Bolt. Ils ne sont pas plus humains que les gens. Ils ont travaillé, ils ont bénéficié du soutien, ils ont été encouragés dans les, euh, dans les, conditions très difficiles. Et quand ça va, ils ont été toujours soutenus, accompagnés. Donc, ils peuvent faire quelque chose. C'est aussi cela. Donc, moi, je pense que c'est cela que nous devons nous atteler. Mais pour le cas de la lutte, mais écoutez, dès la, réélection de ce bureau, tout le monde, les observateurs savaient que c'est non, que non, que ce bureau-là ne va pas durer, parce que les conditions dans lesquelles les élections se sont déroulées et les prémices de la rupture, c'était depuis le dernier euh, euh, sabre, national à Tawa, où on, suspend d'autres <laughs> membres du bureau, euh, le secrétaire général et le trésorier. Vous voyez, vous, un peu, on sent que il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il faut que Ce n'est pas le ministère, il faut que le ministère ne peut pas s'indexer, même si on dit que parfois ils le font. Dans tous les problèmes, on doit trouver une solution à Modou rapidement. Oui, ce que, ce que je dis quand même, je, tire mon chapeau à Issa Alfaga, euh, qui est vraiment en train de, de, faire briller le, nom du Niger sur le plan international en matière de sport. C'est vrai ce qu'il a dit. Euh, euh, l'athlétisme nigérien a connu de, de, belles heures. Hein. On se rappelle de l'époque de Ini Aboubakar, de Sido Hangadumbo, etc., etc. On a plus maintenant des grands athlètes et, euh, et de, cette renommée-là. Mais on peut le faire parce parce que Issef Alfaga a quand même reçu un soutien inestimable. D'abord du président de la République qui a mis la main dans la poche pour lui avant les Jeux Olympiques. Ça veut dire que quand il y a le soutien, ça peut marcher. Et on est très content aussi de la qualification du Ménacadé pour le, pour, le mondial qui va se dérouler à Inde. Voilà les victoires qu'on doit soutenir. Et il faut mettre les moyens qu'il faut dans toutes les disciplines pour que le sport puisse s'améliorer. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on me dise que les athlètes sont partis par bus pour faire un voyage dans une, euh, une compétition. C'est trop misérable. Les primes de match qu'on donne aux joueurs à la fin des matchs, l'équipe nationale, c'est trop misérable. Donc, j'ai dit, il faut mettre les moyens qu'il faut pour que le sport puisse briller. Concernant le cas de euh, Ganda, moi je sais une chose, c'est qu'Abouba Ganda c'est un passionné de lutte traditionnelle. C'est vraiment je ne sais pas ce qui se passe au, niveau de ce bureau, je ne sais pas ce que le bureau a invoqué comme raison, je ne sais pas si vous pouvez nous le dire, mais je ne sais pas les raisons qui ont poussé à son éviction, mais à sa suspension pour le moment, mais j'ai dit quand même qu'il faut mettre de l'ordre parce que le sport qui est la lutte traditionnelle et suivie par l'écrasante majorité des Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec euh, Abba journaliste à la radio alternative. Nous étions également avec Gary Amadou, journaliste au journal La Nation. Et notre troisième invité était Issa, Madougou, journaliste au groupe de presse radio et télévision en Ténéré. Merci à vous tous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Prochain rendez-vous au lundi 12 juin 2017, même heure, même fréquence. Merci, au revoir.